Assis au milieu de son atelier sous les vigilants de son petit frère, Aboubakar, la tête baissée, sculpte un morceau de fer. Le bruit est assourdissant. Aboubakar reste concentré sur cette pièce de métal qui deviendra plus tard une bague ce bijoutier de 37 ans, né à Agadez et marié et père de deux enfants. Après 7 ans d'école coranique où il a appris à lire et à écrire, il s'est orienté vers le métier de forgeron, une tradition dans sa famille. L'artisanat est un métier qui n'a pas de retraite. C'est jusqu'à la fin de la vie, si tu es en bonne santé. On utilise surtout du bronze et de l'argent. Aujourd'hui, moi, je ne fabrique que des bagues. En trois jours, je peux faire 15. Et chaque bague peut me rapporter 5 000. La fabrication de pièces de bijoux n'est qu'un aspect de son métier. Ce jeune artisan voyage beaucoup pour écouler sa marchandise, parfois hors du Niger. Pour vendre ses bijoux, je vais à Kamba, à Birnikevi, Sokoto, un peu partout au Bénin. Parce qu'ici au euh, Niger, les gens n'ont pas encore compris la valeur de ces bijoux. La réussite Aboubakar la doit à son savoir-faire et à sa patience. Il est aussi devenu un patron. Un patron avisé mais aussi généreux, comme en témoigne son petit frère Ismaël qui a appris ce métier auprès de lui. Après mon BPC, je ne savais pas quoi faire. Tantôt c'est les études, tantôt c'est les grèves. J'ai préféré venir auprès de mon grand frère. C'est lui qui m'a appris ses métiers. Mon souhait aujourd'hui c'est d'apprendre à quelqu'un. Son métier de bijoutier a permis à Bouakar de participer à plusieurs expositions internationales. Il lui faut maintenant passer la vitesse supérieure pour non seulement moderniser ses outils, mais aussi pourquoi ne pas s'offrir un atelier plus grand. Pour cela, il lui faut de l'argent. Daouda Hassan depuis Losso pour le studio Kalongo.